le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou et bienvenue dans le forum de la presse qui a lieu chaque vendredi soir. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des, 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger et dans les localités d'Arlit, de Kirozerine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Gauré, Dolbel et Saï. Toutes ces radios diffusent en direct les programmes du Studio Kalangu. Vous pouvez aussi nous suivre sur la toile à travers notre page Facebook Studio Kalangu, sur notre site web www.studiokalangu.org et le streaming Kalangu. Comme vous le savez, la semaine a été marquée par deux fêtes, à savoir le 1er mai qui consacre la fête du travail et le 3 mai, journée internationale dédiée à la liberté de la presse. Pour la fête du 1er mai, la question des élections professionnelles qui tarde à être organisé sera abordé dans ce forum, ainsi que l'interminable duel entre le gouvernement et les, syndicats des enseignants, notamment la coalition Cause-Sinaseb. Autre point sur lequel nous allons échanger, c'est la prestation de serment des personnes membres de la commission d'enquête indépendante mise en place pour faire la lumière sur les événements du 10 avril dernier marqués par les violences sur les scolaires. Nous terminerons par ce nouvel appel de la société civile pour une marche le dimanche prochain. Et au plan sécuritaire, nous évoquerons la énième attaque terroriste qui subit le Niger. La dernière en date, c'est celle de Foneko dans le département de Terra qui a coûté la vie à deux gendarmes. Pour en discuter, nous, invitons chaque vendredi des confrères de la presse audiovisuelle écrite ou en ligne. Ce soir, nous sommes avec Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Alassane. Merci d'être venu et Elage Suleiman Mamadou du site à ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Merci encore à vous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous. Si vous nous prenez euh, en cours, sachez que vous suivez le forum de la presse euh, qui vous permet d'être à jour sur l'actualité de la semaine à travers les analyses ou la lecture de nos confrères journalistes. Cela dit, lundi 1er mai 2017, le monde entier a célébré la journée internationale du travail correspondant au 131e anniversaire des événements tragiques de Chicago. Au Niger, plusieurs centrales syndicales des travailleurs ont organisé plusieurs défilés sur différents axes de la capitale, une occasion pour les uns et les autres de se faire entendre sur un certain nombre de revendications pour de meilleures conditions de vie et de travail. Entre autres revendications, il y a le respect du protocole d'accord conclu le 13 décembre dernier entre le gouvernement et la synergie cause Niger-Sinaseb qui peine à être effectif. La synergie cause Niger-Sinaseb est d'ailleurs présentement en grève de six jours qui tire à sa fin. L'on apprend par ailleurs que le gouvernement est en négociation avec la FUSEN, la Fédération unitaire euh, des syndicats de l'éducation du Niger. Un stratagème selon Chebou Dambaji, membre de la synergie cause Niger Sinaseb que je vous propose de suivre. Le gouvernement, il a fait l'option, donc il a choisi de négocier sur les points qui ont fait l'objet d'engagement avec cause SINASEB, donc avec une partie de la fusaine. Donc euh, on constate que le gouvernement, pendant qu'il ne veut pas négocier avec nous, alors que c'est nous qui avons la paternité de l'accord, il a fait le choix de négocier avec une fraction de cause Niger-Sinaseb. Ça procède d'un stratagème. On va leur faire des propositions qu'ils vont accepter et après on va vouloir nous appeler en discussion pour nous faire les mêmes propositions et si nous refusons, on va dire, ah, voilà, nous sommes des vats en grève. En fait, nous sommes manipulés. C'est ça, en fait, le stratagème. Euh, vous venez là de suivre Chebou Dambaji, qui est membre de la synergie Cause Niger-Sinaseb. Alors, Ousseini Issa, vous êtes journaliste indépendant. Comment vous analysez euh, ces faits ou si vous préférez cette situation oh, C'est vraiment une situation déplorable. C'est une situation déplorable parce que cette année, moi, je considère que quels que soient, comment dire, euh, les mécanismes qu'ils vont trouver, il est très difficile de pouvoir, en tout cas, sauver l'année de manière valable. L'année est, comment dire, est validée sur la base d'un programme. De le départ à la rentrée scolaire, il y avait <laughs> des mouvements. Il n'y a pas eu de cours pendant le premier trimestre. Il y a eu une entente autour d'un certain nombre de points. Malheureusement, ça n'a pas été, comme avait dit, ça n'a pas été conclu, il n'y a pas eu, comme avait dit, il n'y a pas eu les, les, les, les, engagements qui ont été pris par le gouvernement n'ont pas été respectés et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin du deuxième trimestre. aujourd'hui, on est dans le dernier trimestre. Moi, je ne vois pas par comment, mais la stratégie. Vous ne voyez pas de solution moi, je vois la solution. Ça ne consiste pas parce que l'enseignement, c'est global. L'enseignement, quel que soit par ailleurs le nombre de syndicats qu'il y a dans le secteur, c'est qu'il faut trouver un mécanisme pour pouvoir discuter et trouver un terrain d'entente avec tout le monde. Parce que s'il y a une fraction qui prend les coups et qu'une fraction refuse d'aller prendre les coups, ça veut dire que dans tous les cas, le programme ne va pas être achevé. Parce que ceux qui sont dans l'autre fraction avec qui on n'a pas négocié, ce n'est pas la solution. Ça ne peut pas permettre de faire avancer les choses. Il faut, négocier avec tout le monde. C'est une mauvaise approche. Il faut négocier avec tout le monde et il faut, se donner, des échéances par rapport on peut euh, euh, par rapport auxquelles on peut pouvoir mettre les points d'entente là, on peut les mettre, comme avait dit, on peut les régler. S'il y a des difficultés, on appelle le partenaire, on lui dit, ben vraiment par rapport à ce point-là, on a des difficultés pour pouvoir l'honorer à, comment à l'échéance. On va trouver un autre mécanisme pour pouvoir avancer. Mais tant euh, qu'on fait ces choses de manière vraiment on veut diviser, ça marche pas. Le syndicat est unitaire. Suleiman Mamadou, c'est votre point de vue euh, Oui, je pense euh, que véritablement. Euh on l'a vu avec les étudiants, euh, lorsqu'il y avait une volonté politique euh, vraiment affichée, et le chef de l'État avait pris les choses en main. On a vu effectivement, on a trouvé un accord. Mais c'est après, après, après, on pensait que véritablement l'autre manche, justement, le côté. Donc, euh, parce que l'école, comme c'est un tout, c'est l'université, c'est aussi le primaire et le secondaire. Donc, ces gens-là, effectivement, on, avait pensé que euh, véritablement le comité de négociation allait effectivement euh, savoir vraiment euh, profiter de cette situation pour régler la question de l'école vraiment pendant ce, temps-là vraiment très favorable. Mais je pense que véritablement ce n'était pas bien. Dans tous les cas, on a annoncé effectivement cette négociation avec le FUSEN qui n'allait pas véritablement être un truc, euh, euh, si vous voulez, qui, qui, allait satisfaire tout, le, monde, parce que simplement, il y a une partie, comme il l'a il a dit, en tout cas, qui est, qui laissée. Donc, euh, ce qui fait que véritablement, je pense qu'il est grand temps, vraiment, si on voudrait vraiment sauver cette année, puisque certains, en tout cas, pensent qu'il est possible de faire des sacrifices pour voir comment sauver l'année. Donc, vraiment, il est grand temps, en tout cas, et le gouvernement et le, et le et les syndicalistes en tout cas qu'il puisse faire un peu plus de construction, un peu plus de sacrifice, vraiment pour qu'on puisse euh, franchement s'entendre sur l'essentiel, vraiment. Hmm. On sait que autre, autre préoccupation soulevée à l'occasion de, la célébration de la journée de la fête euh, du travail, donc euh, c'est cette question de l'organisation des élections professionnelles qui est reportée donc à plusieurs reprises. À ce sujet, je vous propose de suivre Manu Baye, qui est secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN. Les élections professionnelles, euh, malheureusement, c'est une revendication de l'USN qui date de plus de 15 ans. Euh, depuis qu'on a vu naître de nouvelles organisations syndicales, nous avons dit qu'il faut que le gouvernement ait des interlocuteurs crédibles, des véritables représentants des travailleurs pour discuter avec eux des questions du problème du travail au Niger. Donc malheureusement, nous avons 13 confédérations syndicales. Nous nous sommes entendus pour aller aux élections, mais aujourd'hui, euh, ça fait 4 ans que nous attendons l'organisation de ces élections-là, Une carte tarde à venir. Malheureusement, il y a une question des finances, il y a aussi des questions d'organisation. Mais en tout cas, d'une manière générale, les organisations syndicales, au niveau de l'ITN, nous sommes prêts pour les, élections professionnelles. Vous venez de suivre Mano Bayi, qui est secrétaire général de l'USTN. Alors, euh, Suleiman Mamadou du journal euh, du site euh, Niger Inter, comment vous interprétez les raisons avancées euh, pour le report répétitif de, ces élections professionnelles ben, Moi, je, au cours de cette année, nous avons eu euh, en interview, le responsable de cette euh, de comité justement sur ce concours personnel effectivement qui semble aussi accuser certains syndicats, en tout cas certaines centrales qui ne sont pas prêtes, euh, qui n'ont pas intérêt. pas parce que avant tout, quand même, l'objectif, c'est effectivement savoir qui a le monde derrière lui, qui pense quoi, en tout cas, au niveau du monde syndical. Donc, il y a cet aspect-là, effectivement, du côté euh, donc du monde syndical, il y en a qui sont qui n'ont pas intérêt, en tout cas qui ne, veulent pas en tout cas aller, parce qu'ils n'ont pas assez euh, de qui font diversion absolument. Mais aussi, si on parle des questions de, en tout cas, si j'ai bien retenu, euh, si j'ai bien compris le, le, le, président de ce comité là, en tout cas, euh, il semble que véritablement toutes les femmes prennent, mais il y a une question d'entente entre les centrales syndicales euh, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Donc, euh, véritablement, euh, je pense que, euh, comme dans un pays organisé, effectivement, parce qu'on voit, on a vu au cours de cette fête-là, effectivement, le monde syndical est très éclaté. Il y a assez de centrales syndicales. En démocratie, c'est une très bonne chose. Mais vous, tout à l'heure, vous, vous, vous l'avez dit souvent aussi, le pouvoir s'est divisé c'est effectivement profiter. C'est Hussein qu'il l'avait dit et de nature effectivement à affaiblir le monde, le monde syndical, euh, euh, ben, je pense que euh, en tout cas, si tant que les gens vraiment tiennent aux principes démocratiques, il faut, il faut y aller il faut vraiment qu'on sache vraiment ceux qui sont vraiment ceux qu'on demande avec eux. Et c'est avec l'État doit négocier absolument. Comme besoin Alors Ousseini ça pensez-vous que ces élections professionnelles doivent être une urgence et bénéficier d'une attention particulière? mais je viens d'écouter mon ami Man Baye. C'est votre ami Il dit, oui, bien sûr. il parle de finances. Moi, je dis, c'est une question de volonté. Quand on veut faire des élections, on n'a pas à traîner tout ce temps. Ça fait combien d'années Pratiquement quatre ans qu'on attendait ces élections, qu'on attend ces élections professionnelles. Et jusqu'ici, jusqu'ici, pratiquement, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe, parce que tout simplement, il n'y a pas de volonté. Parce que de la a part de l'État ou de la part des syndicats de Non, mais les syndicats ne peuvent pas. À partir du moment où il a été décidé qu'il faut aller à des, à des élections professionnelles dans le monde syndical pour savoir qui pèse quoi, qui, pour savoir qui va être l'interlocuteur direct de, de, avec euh, le gouvernement, avec l'État, il faut y aller. On ne peut pas continuer à traîner parce que tout simplement, il y a des syndicats. Les syndicats ne peuvent pas imposer leur volonté ou les centrales syndicales plutôt, excusez-moi, c'est au gouvernement de décider, on a décidé de faire des élections professionnelles pour déterminer le poids de chaque centrale syndicale. À partir de ce moment, on met les moyens en place et on convoque et chacun fait, comme avait dit, chaque centrale syndicale fait son travail de terrain pour pouvoir mobiliser le maximum de, ses militants pour pouvoir voter le jour où l'élection a lieu. Mais quand il n'y a pas ça, ça veut dire quelque part, moi j'ai dit, quelque part c'est l'État même qui ne veut pas l'organisation de ces élections professionnelles avec l'éclatement, il y a combien de centrales Mais c'est l'État à l'intérêt que ces, élections n'aient pas lieu, vu la dispersion. bien, entendu, on est dans, une dynamique où il faut mettre les gens, il faut diviser. Parce que quand on va avoir des élections professionnelles, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont constater que bon, ils pèsent rien du tout. Ils vont vouloir, comment dire, s'effondrer dans les structures qui pèsent. Et c'est en cela que c'est avantageux. Mais on ne va pas continuer comme ça. Quiconque se lève un beau matin, deux ou trois syndicats se réunissent, on dit on met en place une centrale syndicale. Il faut qu'on mette fin à ces choses-là. D'accord, c'est la démocratie. Mais il faut tendre vers vraiment l'unité et que qu'on crée les conditions pour que quand les travailleurs revendiquent, qu'ils puissent être écoutés. Mais quand c'est éclaté, on peut discuter avec, moi je peux ne pas m'entendre, mais on peut voir l'autre qui va s'entendre et on va dire, voilà, ceux eux qui sont là, ils sont en train de jouer un autre jeu, c'est un jeu qui n'est pas favorable au développement du pays. Moi je dis, il faut mettre fin à cela. S'il y a la volonté du côté du gouvernement, moi je me dis, on aurait dû dépasser ce cap-là depuis longtemps parlons maintenant de la journée mondiale de la liberté de la presse. C'était avant-hier, mercredi 3 mai, à Niamey. La commémoration de cette journée s'est donc déroulée à la Maison de la Presse, occasion mise à profit par la Maison, la maison de la Presse et son partenaire, l'ambassade des États-Unis, pour organiser un concours des meilleures œuvres inédites sur l'extrémisme violent. Le jury du concours dont le thème est la contribution des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger a alors, à l'heure de, sa délibération, décidé de ne pas décerner euh, de prix à l'ensemble des 13 euh, œuvres radio, télé, presse écrite compris. Euh, les raisons de cette euh, décision avec Sani Souley Manzo, qui est le rapporteur du Digiri. Plus de 90% des candidats au concours ont été éliminés pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 6 du règlement du concours qui énumère les pièces à fournir par chaque candidat. Deuxième raison, beaucoup d'œuvres présentées au concours ont été éliminées parce qu'elles ont déjà fait l'objet de publications ou de diffusion dans les organes de presse, contrairement aux dispositions des articles 1 et 4 du règlement qui stipulent que les articles doivent être inédits, c'est-à-dire non publiés d'avance. Deux des articles présentés en presse écrite ont retenu l'attention du jury. Autant ils étaient dignes d'intérêt quant à la pertinence des sujets traités, autant il semble le doute quant à la matérialité du travail de terrain dont ils seraient le produit. En outre, le jury a constaté des manquements dans la qualité rédactionnelle et le non-respect des normes professionnelles par les deux auteurs. Vous venez d'écouter donc euh, Sani Soulemanzo qui est le rapporteur du jury qui a euh, donc euh, délibéré sur cette sur ce, concours sur l'extrémisme violent. Alors Elège Souleymane Mamadou du site Niger Inter quel commentaire sur ce concours dont la délibération a, surpris beaucoup de gens Bon, quand c'est aussi inédit de faire un concours où on dit que euh, personne ne mérite. Bon, il a expliqué, les gens n'ont pas respecté les conditions. Je pense que euh, le jury ne peut pas faire autrement. Il y a des, critères euh, qui ont été donc placés. mais j'ai suivi ce truc-là quand on faisait le communiqué. Qu'est-ce qui se passe C'est que c'était des activités à la maison de la presse. On vient faire des, conférences. Les jeunes viennent couvrir ça. Vous voyez, le plus souvent, les gens ont tendance à faire un compte rendu. Euh, bon, sur le thème, je pense que ce qui est récurrent le plus, en, les, les majeurs en, presse, euh, dans le travail en tout cas journalistique, c'est d'abord euh, le reportage, l'enquête. Euh, vous voyez, et ça, vous voyez, en fait, notre presse, elle est un peu pauvre en la matière. Les gens ne, ne partent pas sur le terrain. Les gens préfèrent aller couvrir des activités vraiment au quotidien. donc, bref, je ne suis pas surpris parce que simplement, il faut le dire, hein, euh, les journalistes, on a du boulot à faire. On a plein de sujets intéressants à aller vraiment euh, euh, faire voir aux gens. Mais les gens, en tout cas, on est plus sédentaires. Les gens ne veulent pas aller sur le terrain euh, pour faire voir les choses. Il y a des sujets intéressants. On, tu vois qu'on peut vraiment faire pour mm. intéresser les, gens. Mais bon, je pense aussi que euh, j'ai pas aimé, par exemple, personnellement, ça, que qu'on vienne, euh, on a prévu des trucs maintenant, encourager les gens, si <laughs> les, gens ont donné, enfin il fallait donc distribuer le, le, prix. Ils ont retenu deux, deux, deux, deux œuvres par exemple en, euh, en presse écrite, je crois, ou bien. Euh, donc, euh, je pense qu'il fallait aller jusqu'au. L'information, c'est que ce concours a été reconduit pour, le, pour, pour, le, pour novembre prochain avec les mêmes prix et sur le, sur le même thème d'ailleurs. Peut-être que les uns et les autres fourniront des efforts notamment en remplissant les critères euh, ah, ah, euh, qui ont été. qui euh, il est récurrent que des candidats soient disqualifiés pour non-respect des critères ou règles du jeu ou qu'ils ne respectent pas les règles professionnelles de la réalisation de leurs œuvres. comment expliquer cet état de fait oui, mais parce que tout simplement, je tiens à dire d'abord, moi j'ai été membre de jury euh, au niveau de plusieurs concours, y compris au niveau, comment dirais-je, dans le cadre de la célébration du, du, 3 mai, à plusieurs reprises. Mais moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il ne faut pas encourager la médiocrité. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent, on précise bien c'est quoi les œuvres qui doivent être. Moi, quand, je suis dans un jury, je dis il faut que les gens respectent. Il faut encourager les gens à faire le, le terrain. Malheureusement, c'est ça qui n'existe pas. Les gens restent dans les rédactions. Et les rédactions même ne font aucun effort pour pouvoir envoyer des gens sur le terrain, pour pouvoir faire des reportages où on va et, interroger les, victimes, on va interroger. Et, quand les gens vont sur le terrain le plus souvent, c'est que c'est les autorités officielles qu'on interroge qui viennent dire que tout est bien, tout est beau. Alors que les populations, là, ils savent ce qu'ils sont en train de vivre par rapport à cet extrémisme-là, les difficultés qu'ils ont dues. Moi, je dis, c'est une très bonne chose. Pour une première fois, on est en train d'aller dans la bonne voie. Il faut qu'on s'il n'y a pas, comme avec des œuvres méritantes, qu'on dise on ne décerne pas de prix. Ce n'est pas systématique. Il faut que ça mérite. Parce que cette œuvre-là, une fois qu'on donne à, un journaliste euh, sur la base d'une production vraiment qui, n'est pas conforme à ce qui est attendu, moi je dis il va se mettre dans la tête qu'il est déjà bien, il est déjà, devenu grand. Moi je dis il faut arrêter. Il faut arrêter et c'est une très bonne chose qu'on ait reconduit le prix pour l'année prochaine. pour, le 3 novembre. Pour le 3 novembre. Mais moi je dis c'est important. Il faut qu'on arrête d'encourager la médiocrité. Il y a des journalistes aujourd'hui, c'est des journalistes de salon, de, rédaction. Ils sont là assis. Ils vont sur le net, c'est très facile. On voit une dépêche de l'AFP, on voit une dépêche de Reuters, on voit. Mais il faut que les rédactions encouragent, en tout cas amènent les journalistes à faire le terrain. Voilà, à faire le terrain. C'est ça qui est le plus important, moi, à mon sens, en matière de journalisme. Pas rester, aller voir ce que quelqu'un a fait, piquer, venir réécrire ça. Tu n'as pas fait un travail. C'est ah. très facile. Alors, euh, restons toujours dans, dans, ce chapitre de la célébration de la journée euh, donc internationale de la liberté de la presse pour, pour euh, évoquer cet aspect. Mardi dernier, la demande de mise en liberté provisoire de, du journaliste Baba Alpha qui, donc, qui était journaliste à la radio et télévision Bonferré, a été rejeté par le juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. C'était à travers une euh, d'une notification à son avocat, Maître Moussi Boubacar. Pendant ce temps, Omar Sidi Mohamed, qui aurait aidé Baba Alpha à obtenir la nationalité, a bénéficié, lui, d'une liberté provisoire toute chose que dénonce euh, Maître Moussi Boubacar, son avocat, qui a déclaré, je cite, en droit, l'auteur principal comme le complice encourt la même sanction. Vous ne pouvez pas libérer un complice alors que son implication est incontestable. Cela met à nu l'intention, la vraie raison de ces poursuites qui n'est pas de réprimer un délit d'usage de faux, mais de réprimer un journaliste qui a une ligne éditoriale qui ne s'accommode pas de la volonté du pouvoir. Fin de citation. Alors, euh, euh Elhaj Suleiman Mahmoud, comment appréciez-vous la réaction de l'avocat de Baba Alpha suite au rejet de la liberté euh, provisoire demandée pour son euh, client Je n'apprécie pas la réaction de l'avocat. L'avocat fait son travail, il est payé pour faire ce travail. maintenant, en tant que journaliste, c'est bien regrettable justement de constater que un confrère, on l'a refusé une liberté provisoire euh, c'est vraiment gênant. Il est en prison depuis euh, euh, vraiment quelques semaines. Je pense qu'un journaliste n'est pas un terroriste au sens où il pourrait menacer de manière... On peut effectivement lui accorder une liberté provisoire. Euh, le jour de son, procès, de son procès euh, peut venir se présenter, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais bon, la réalité est faite que, bon, malheureusement, le juge ne l'a pas autorisé. C'est bien déplorable de mon point de vue. Et ce dernier a même décidé de ne pas faire d'appel à faire un appel euh, de cette décision. Ousseini ça est-ce que vous êtes des avis de, de ceux qui pensent que Baba Alpha n'est ni moins ni plus qu'une voix discordante qui gêne, comme l'a affirmé d'ailleurs le président de la maison de la presse euh, dans son discours euh, du 3 mai, mercredi dernier Mais quand vous suivez Baba Alpha, Baba Alpha est très critique, très critique vis-à-vis du régime, vis-à-vis de la gestion, de l'aide, machins. Et il est dans son rôle de journaliste. Il est dans son rôle. Et quelque part, vraiment, il y a eu un lien entre son arrestation et ses, interventions au niveau de Seulement, il est poursuivi pour usage de faux. Oui, d'accord, oui, bien entendu, mais il fallait trouver un argument pour pouvoir le, le, le, le mettre, comme avait dit, dans une situation inconfortable. On ne peut pas, sur la base du travail qu'il est en train d'être fait, on ne peut pas. Mais il fallait fouiller un peu dans ses poubelles, dans sa vie, pour trouver quelque chose sur la base de laquelle on peut, on peut l'incriminer. C'est ça qui s'est passé. Sinon, il est très critique. Tout le monde le sait. Et tout le monde fait le lien immédiatement. Dès qu'on l'a arrêté, et on l'a arrêté non seulement, on a arrêté son père, on a arrêté euh, le complice qui, vient, d'être libéré. Mais bon, mais il peut être mis en liberté comme Alain Suleiman vient de le dire et que la procédure puisse se poursuivre. Parce que la liberté, euh, c'est la règle, <laughs> la détention, c'est l'exception. On peut bien le faire. Sur un tout, autre plan, les 13 membres de la commission d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les événements survenus au campus universitaire de Niamey le 10 avril 2017 ont prêté serment. La cérémonie s'est déroulée mercredi passé à la cour d'appel de Niamey. Je vous propose un extrait de l'intervention du procureur général près la cour d'appel de Niamey, Karim Haladou, confiant de la composition des membres de cette commission. J'ai relevé dans l'arrêté créant votre commission deux choses. J'ai relevé d'une part la parité quant aux membres représentant la partie gouvernementale et la partie USN, et d'autre part la présence des personnes appartenant à des structures indépendantes. Cela nous donne deux gages. Gage de transparence d'une part et gage de neutralité de l'autre. Euh, Karim Haladou, procureur général près la cour d'appel de Niamey. Alors, au Ousenissa, les différentes tendances qui composent cette commission vous rassurent quant aux résultats qui sortiront de leurs enquêtes oh, je, souhaite qu'il en soit ainsi. Je souhaite que, à l'issue, parce que je souhaite qu'il en soit ainsi, je souhaite qu'à l'issue, comme avait euh, du travail qu'ils vont abattre, qu'on puisse présenter au moins un rapport digeste. Parce que <laughs> récemment, il y a eu un rapport où, à la fin, quand il s'est agi de finaliser, <laughs> on a mis de côté et j'espère que ça ne va pas se passer Vous faites allusion au rapport de euh, la commission d'enquête parlementaire, parce qu'un rapport, quand on l'élabore, il y a toujours des rapporteurs qui sont là, qui les rédigent, mais jusqu'à la dernière minute, on peut écarter certainement comme ça s'est passé au niveau de la commission. La différence, c'est que ces derniers ont prêté, oui, prêté, serment, le Serment, prêté serment, est-ce que les gens ces gens-là, souvent, le plus souvent, la, tendance, c'est qu'on a tellement banalisé le Coran que chacun pense qu'il peut venir. Ce n'est pas évident que les gens respectent. Ils ne savent pas le fait de poser la main sur le Coran pour dire Jésus. C'est que ça peut leur valoir toute leur vie. Malheureusement, dans ce pays, <laughs> mais, y compris les dirigeants au plus haut niveau, ils viennent prêter serment. Et après, qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils respectent Est-ce qu'ils se rendent compte Quand ils posent les actes, ils ne se rendent même pas compte. Mais je souhaite tout simplement qu'il y ait la, la lumière, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait un travail en synergie au niveau de cette commission-là pour que effectivement les Nigériens puissent être éclairés et pour que dorénavant des choses comme ça ne surviennent plus. Voilà un peu moi le souhait. Mais bon, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Elal Suleiman Mahamadou, euh, euh, cette, commission d'enquête qui vient de prêter euh, serment, sa composition, ça vous rassure quant au résultat oh, attendu Franchement, je suis très optimiste au regard de la qualité mm, de sa composition, en tout cas des membres que je connais, leur rigueur, leur objectivité. Par exemple, on a vu d'elle la même crise euh, la Commission nationale des droits de l'homme euh, a quand même brillé par euh, vraiment sa rigueur et son objectivité, ce qui a même franchement surpris tout le monde que cette commission, bien qu'elle soit nationale, en tout cas qu'elle soit un, organe de, l'État, quand même n'a pas failli à sa mission véritablement d'évaluer ce qui s'est passé, en tout cas d'acculer, si j'ose dire, euh, le, pouvoir euh, sur un certain nombre de mensonges qui ont été donc euh, proférés. donc, quand je vois effectivement donc, la participation de, certains membres de cette commission, les étudiants eux-mêmes donc, qui, qui, sont présents, côté gouvernemental, c'est-à-dire qu'en en fait, au moins, comme cette fois-ci, on, on, ose espérer que on ne va plus avoir des commissions Combien de commissions on a à mettre, euh, euh, Les commissions crémières, à vu de commissions pour faire la transparence On n'a jamais de, de, leur, conclusion, mais au moins je pense que cette fois-ci, on peut espérer que véritablement le travail qui, ne va pas être bâclé. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi confiant euh, je viens de dire, la, différence par rapport je viens aux par exemple, dans la, dans la, gestion de la crise, lorsque la Commission nationale a fait son, son, communiqué, elle nous a établi, par exemple, que les les frères universitaires n'ont pas été levés contrairement à ce que le pouvoir avait prétendu euh, et que véritablement euh, la violence telle que euh, vraiment la perpétrée sur les étudiants c'était un peu c'était de trop. Moi je pense que véritablement et comme il a dit le serment coranique n'est pas un acte banal. Et je pense que dans tous les cas ici nécessaire fait, la, la, question c'est par exemple si on pourrait penser que au niveau de la commission parlementaire, la commission elle est composée de 10 membres et 8 membres sont de la majorité, deux seulement sont de l'opposition. Mais ici, c'est le pouvoir qui risque d'être minoritaire parce que, euh, je ne sais pas, dans tous les cas, euh, ceux qui, que, en tout cas, ne pourront pas influencer euh, les autres, les en tout cas, pour pouvoir faire un truc. Euh, parce que je pense que aussi, euh, ce qu'a dit le procureur en insistant, effectivement, c'est pour interpeller l'avantage et les consciences de ces, de ces membres-là, pour qu'ils puissent vraiment honorer en tout cas, la, en tout cas, la, nation les, observe, on les, on les attend. Donc, je pense que franchement, on, on, espère bien, en tout cas, au moins, au moins, enfin, qu'on puisse Parce que si arrive à cette, cette, cette, mission, même demain, s'il y a effectivement des forfaitures de la sorte, on va mettre une commission en place. Ça pourrait rassurer les Nigériens. C'était nécessaire la prestation de serment pour, pour euh, s'assurer que. J'ai dit, vous savez, dans notre psychologie ici, en tout cas en tant que musulman euh, quand vous voyez les gens, même quand tu as raison, souvent quand on dit que cette fois-ci, ils ont posé la main sur le j'ai Coran. j'ai dit, effectivement, tellement c'est important que souvent quand tu as raison, quand on dit pose ta main sur le Coran, tu refuses. Tu sais que tu as raison, mais parce que tu as peur du Coran. Bon, bref, euh, c'est, un peu ça. Mais c'est important quand même, c'est un symbole très fort euh, au niveau de, de notre, en tout cas, foi. Alors, parlons à présent de ce nouvel appel des organisations de la société civile sur les non Sovol au Niger pour une marche de protestation protestation contre ce qu'ils appellent la malgouvernance, la corruption, l'injustice, etc. Euh, Issa, vous êtes journaliste indépendant. D'abord, un commentaire sur cet appel à marché prévu pour le 10 mai on sait qu'au lendemain des événements du 10 avril, ces, mêmes organisations ont voulu organiser une marche euh, euh, deux jours après, mais finalement ça a été reporté. Cette fois-ci, c'est pour le 10 mai. Un commentaire Effectivement, bon, quand il y a eu, comme avait dit, c'est qui s'était déroulé à l'université de Niamey, ils avaient voulu marcher. Mais bon, ils ont évoqué un certain nombre de raisons. L'étudiant n'étant pas inhumé, encore les défunts n'étant pas inhumés, il fallait attendre qu'ils soient euh, inhumés avant de procéder à la marche. Bon, ça a un peu émoussé l'acteur populaire, bien entendu. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais pourquoi ils ont décalé la marche Ce n'est pas forcément lié. Maintenant, ils ont appelé à la marche pour effectivement dénoncer un certain nombre, notamment un certain nombre de faits de, gestion, la malgouvernance, euh, l'impunité, la corruption, tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que quand on est en démocratie, et je me réfère toujours à ce qui se passe en Occident, qui que tu sois, quel que soit ton rang, quel que soit le portefeuille que tu occupes, tu es ministre, quand tu es impliqué ou on te soupçonne d'avoir fait ceci, on n'a même pas besoin de te dire c'est toi qui démissionnes. Volontairement. Volontairement pour aller te blanchir devant la justice. On se trouve dans un pays où ça dépend de vous, vous êtes, de quel côté vous êtes, de quel côté de la rive. Si vous êtes de l'autre côté, vous refusez de démissionner parce que tout simplement vous avez un bouclier qui est là. Le pouvoir qui va vouloir vous protéger parce que vous êtes avec, avec, avec lui. Il y a eu beaucoup d'affaires. Quand on fait le parallèle, quand on fait le parallèle, le simple parallèle, de l'autre côté, on prend les gens, on les présente directement, on les déplace en, on les dépose. Et de, ce côté, on trouve des mécanismes pour pouvoir éviter à la personne ah, d'être confrontée. Euh, euh, si vous vous euh, souvenez, <laughs> il y a eu, comment vais-je dire, une tentative de levée d'immunité qui n'a pas pu prospérer dans une affaire de troc où le député a été la, la, n'a pas pu, en tout cas, prospérer. Plus, comment déjà la, la, mise en accusation de deux ministres. Et jusqu'ici, il n'y a pas de nouvelle date parce que tout simplement, les gens se savent. Alors, Elage Suleiman Mamadou, euh, un nouvel appel à marcher. On sait que depuis décembre 2016, à ce jour, il y a eu pas mal de, manifestations contre la gouvernance actuelle. Est-ce que vous pensez que toutes ces manifestations ont eu ou sont en train d'avoir l'effet escompté euh, Merci bien. Euh, je voudrais vraiment, avec ta permission, préciser à l'endroit de mon confrère Issa que au niveau de la levée de l'immunité euh, parlementaire et la mise en accusation, c'est plutôt l'opposition qui a demandé euh, la place du MNSD euh, au niveau donc de la Haute Cour de justice. C'est ça vraiment qui a bloqué le débat. Et jusqu'à preuve du contraire, c'était ces questions, en tout cas internes, qui fait que, bon, il y a une suspension. Vraiment, ce n'est pas du fait, du fait de, la majorité. de la majorité. en tout cas, mes informations. Donc, par rapport à l'appel la, de la société civile, moi, je pense que c'est une très, bonne chose. les manifestations Parce que, bon, en réalité, la société civile doit être quand même un contre-pouvoir euh, dans un pays où, par exemple, euh, aujourd'hui, quand même, euh, l'opposition, elle est euh, elle est, si vous voulez, en termes de, nombre, elle est un peu insignifiante, euh, elle est un peu acculée, même si je ne suis pas d'avis que c'est euh, l'efficacité d'une opposition, c'est d'abord sa vision, euh, vraiment ses ambitions, en tout cas sa, sa, sa, façon de, de, faire, en tout cas d'avoir une initiative euh, dans la lutte. Euh, donc, mais je me rends compte que véritablement, on a besoin d'une société civile, en tout cas, consciente, qui peut effectivement amener le pouvoir à se reprendre lorsqu'effectivement, il y a beaucoup de Je suis d'accord, effectivement, il y a beaucoup de scandales qui sont, qui sont, qui sont dénoncés. Et bon, si effectivement côté justice, il n'y a pas d'action euh, parce que comme euh, la vocation du procureur, effectivement, on, dénonce à travers la presse. Nous avons nous-mêmes, en tout cas, plusieurs fois euh, levé des lièvres, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de poursuite. Est-ce que, a pas de... est-ce, est que la stratégie de, manifestation qui, est, qui est, adoptée par la société civile et souvent par l'opposition, est-ce que c'est en train de porter, c'est en train d'avoir l'effet escompté euh, bon, en réalité, ce n'est pas une, Est-ce que les, pas une invention, c'est actes dénoncés sont en train euh, d'être d'être euh, réglés ou la situation, votre, selon votre constat, la situation s'améliore ou pas en réalité, ce que la société civile est en train de faire, c'est ce que de tout temps, depuis notre processus démocratique, depuis en tout cas de sortir de la, au de la conférence nationale, c'est que, aujourd'hui le gouvernement, actuels, ce ça savent faire effectivement, les manifestations de rue, en tout cas les, marches, les actions de journée citoyenne, c'est ça véritablement. Là, on se rappelle l'accès historique, euh, la, lutte contre la viscère du, du 15 mars. Euh, euh, en 2005. Euh, euh, bref, moi je pense qu'ils sont en train de faire ce qui doit être fait parce qu'en réalité, d'ailleurs, il faut quand même se réjouir que de plus en plus euh, le ministère de l'Intérieur, en tout cas, autorise depuis un certain temps, en tout cas, euh, c'était souvent le plus souvent une interdiction, en tout cas, créer une situation, en tout cas, pour empêcher aux gens de marcher. Mais on se rend compte que de plus en plus, euh, les gens sont autorisés à manifester, à marcher. C'est un droit, du reste, hein, c'est un droit. C'est un acquis qui est C'est un, acquis. Le contraire, c'est ça qui est vraiment une exception. donc, moi, je pense que c'est bien l'appel, hein. mais encore faut-il que justement la société civile soit vraiment Moins euh, clair dans, son action. Et je pense que tout citoyen conscient ne peut pas effectivement. Parce que tout à l'heure, s'est disait qu'en Occident, par exemple, le principe de démission. Ailleurs, il y a une opinion publique, effectivement, et les hommes politiques, euh, euh, en tout cas, sont conscients que ils sont, on les regarde. Et souvent, par exemple, le, cas de, Ben Omar, pour ne pas le, le, citer, dans la gestion de la crise universitaire, il aurait pu euh, euh, de lui-même. Parce que quand même, même si si est affecté ailleurs, c'est quand même un désaveu. Euh... Ousseini, c'est la stratégie des de, Vous pensez que c'est là en train de changer quand même Oui, euh, mais, non, il, faut, il faut, oui, d'accord, parce que bon, j'ai déjà. La gouvernance actuelle Oui, mais ça va changer inévitablement. Parce que bon, d'abord, c'est les mécanismes qui sont prévus constitutionnellement que les sociétés, ont, comme avait dit, la population, les citoyens ont le droit de résister, peuvent résister en cas de, comme avait dit, quand il y a des, manquements par rapport au respect des, lois, au respect de la part des gouvernants. C'est le mécanisme qui est prévu, qui est ainsi fait. Et moi, je pense que ça porte ses fruits parce que de plus en plus, initialement, il y a deux, trois ans, <laughs> c'était difficile de marcher. Systématiquement, on interdisait les marches. Pas seulement trois ans, en, février. Ah, voilà. Non, je veux dire, mais de plus en plus, on, autorisait quand même les marches. Et normalement, c'est juste à titre informatif, l'itinéraire et tout, qui sont les responsables. C'est dans nos pays qu'on voit des choses comme ça. Mais ailleurs, on n'a pas besoin d'aller voir un mec de quartier pour lui dire, un mec de machin, de commune pour lui dire, je vais marcher. Mais c'est en train de porter ses fruits. En quoi ça porte ses fruits C'est que d'abord, l'opinion internationale, nationale comme internationale, est en train d'observer Observe. et en train de découvrir qu'est-ce qui ceux-là qui sont censés gérer. Parce qu'en démocratie, c'est la transparence qui doit prévaloir. En toute chose, c'est la transparence et l'intégrité. Mais aujourd'hui, on fait les choses en cachette. Et on veut, on veut pas que les citoyens découvrent. À travers ces manifestations, les citoyens savent exactement. Et l'opinion internationale. l'opinion internationale aussi, qui est là, qui écoute un peu tous les pays. Quand vous écoutez les médias un peu partout dans le monde, chaque fois qu'il y a manifestation, les médias internationaux reprennent les euh, manifestations. Dans tel pays, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. C'est déjà une bonne chose, moi j'ai dit. Et c'est quelque chose de légal il n'y a pas de raison à ce que ça soit mal vu. Ça soit mal vu. Alors, sur le plan sécuritaire, euh, le Niger, une fois de plus, a subi une attaque dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai. Des inconnus ont attaqué et tué deux gendarmes à Foniko dans le département de Terra, région de Tilaberi. Euh, Ousseini, comment expliquer que malgré les mesures de sécurité que l'État ne cesse de prendre, notamment la proclamation de l'état d'urgence dans certaines portions du, territoire, la création de forces mixtes, la présence de forces de pays euh, du, euh, plus puissants, les attaques meurtrières persistent Oui, mais ça va continuer parce que c'est des gens qui sont invisibles, c'est des ennemis invisibles. On ne les connaît pas exactement, on ne sait pas où ils sont basés. Mais la principale faiblesse, moi j'ai dit dans cette affaire, pour ce qui concerne le nord du pays, le nord, la, zone nord, la, zone nord le principal défi, c'est d'abord la sécurisation du nord Mali. Malheureusement, les Maliens ne s'investissent pas. Malheureusement, il faut le dire. On a comme l'impression, et ils sont tous les jours, tous les deux jours, tu attends qu'il y a attentat, il y a, comme avait dit, embuscade contre une patrouille militaire, des choses comme ça. Mais ce n'est pas seulement dans cette zone, parce que vous venez de dire à Foneko, mais après Foneko, il y a eu une attaque dans la région de Difa, précisément dans la zone de Menesero, où des, jeunes de Boko Haram sont venus à bord de trois véhicules, trois véhicules et quatre quatre et dont un des véhicules est, comment équipé de, C'était C'était quand C'était mercredi. Mercredi. la, station en l'a diffusé. Et qu'ils ont pillé pratiquement deux villages, les dépôts pharmaceutiques de deux euh, villages, bien entendu, et ça s'est passé en plein jour. Et ils ont attaqué en plus un camp de réfugiés où ils se sont. Ils ont, ils ont focalisé le dépôt pharmaceutique, le CSI qui a été construit. C'est un peu partout. Ce n'est pas seulement dans le nord, mais même dans le, dans, le sud-est, ça continue. Ah, ça ah, continue, ah. ça signifie tout simplement, et c'est ce que nous avons toujours dit, au lieu que on fasse venir des, des, des, bases militaires. Parce que ces bases militaires, on ne sait même pas à quoi pratiquement ils servent. Ils ont des drones, ils disent... Au lieu de les faire venir... On devait nous donner les moyens pour pouvoir renforcer nos capacités opérationnelles. bien, entendu, bien, ça s'est fait pendant des années. Ça s'est fait pendant des décennies et des décennies depuis que Contier a pris le coup d'État de son qui doit être. c'est moi je pense. Moi ça, c'est ça la formule. Mais à quoi servent Parce que les drones sont censés surveiller, donner les renseignements. Ok, peut-être qu'ils donnent les renseignements, mais il n'y a pas de réaction. Peut-être qu'il n'y a pas de réaction parce qu'il n'y a peut-être pas de moyens sur le terrain pour réagir pour, pouvoir réagir de manière efficace. Elage Mohamed Suleiman, vu la récurrence de, de ces attaques, euh, l'ennemi a sûrement trouvé euh, euh, des failles qu'il exploite. non, la vérité c'est que, on l'a toujours dit, les attaques terroristes, le terrorisme en soi, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est des gens en réalité qui vont toujours essayer de surprendre les forces régulières. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Il a dit, tout à l'heure, euh, la situation au Mali. J'ai suivi récemment une interview du ministre de l'Intérieur, euh, M. Bazoum Mohamed, qu'il a accordée à la voix de l'Amérique, où il a dit effectivement notre problème, vraiment le Mali aussi un problème majeur pour, pour nous. La stabilisation. Parce que véritablement la situation au Mali est en train de se détériorer sérieusement. de sorte que à l'intérieur du, du Mali, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, par conséquent, euh, la situation donc euh, euh, côté Tilabiri, en tout cas, elle est très très préoccupante. Vous l'avez dit, on ne doit pas on doit pas attendre. effectivement, vraiment, nos, FDS ont subi beaucoup beaucoup de conséquences des attaques surprises comme ça. On vient vraiment tuer les, soldats. il a dit un truc. Moi, je pense que ce mm. n'est pas une question de, de, de base militaire. En fait, à partir du moment où, ce que j'ai dit en c'est pourquoi euh, je pense que du moment où l'ennemi, en tout cas, euh, se, se, surprend, c'est véritablement euh, au niveau des frontières, en tout cas, qu'on puisse renforcer véritablement la sécurité. Alors, il nous reste que pratiquement deux minutes. Je voudrais qu'on termine par ce fait divers inédit qui s'est produit hier jeudi au quartier courant nord de Niamey où un homme a été lynché par une foule qui a par la suite brûlé le corps. L'homme âgé d'environ 30 ans aurait tué le gardien de l'école CG11, ce qui expliquerait cet autre meurtre d'une rare curiosité. Il a été brûlé le, après avoir été euh, tué. Vos réactions rapides en 30 secondes, Hussein Issa ah, Peut-on parler de la montée de la violence non, non, non, la curiosité, moi je pense qu'il n'y a pas un autre terme pour qualifier ce qui s'était passé, parce que dans tous les cas, le premier meurtre, il a tué, livré là à la police, vous n'avez pas. Mais je dis c'est lié. C'est lié peut-être quelque part à, à, à l'ampleur le degré de pauvreté de plus en plus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont violents. Ils sont plus. L'humanisme est en train de. L'humanisme est en train de. Il y en a qui disent que ce monsieur est malade mental. Il est oui, mais dans tous les cas, à partir du moment où il Ce serait son troisième meurtre. Oui, d'accord. Mais prenez-le et puis bon, bien entendu, que des dispositions soient prises par l'État pour que des individus soient comme ça ne soient c'est votre point de vue De mon point de vue, véritablement... Cette violence euh, peut euh, s'expliquer par la pauvreté Non, non, non, euh, c'est pas ce que je crois. je pense que dans un pays, en tout cas, où on, vraiment il y a la police, tout ça, c'est c'est une défaillance, en tout cas au niveau... Mais je, je, pense personnellement que ça doit être une élection de la foule. Parce que vous savez, comme on dit en psychologie, une action de la foule, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Les gens commencent à faire quelque chose effectivement, ils vont jusqu'au bout. Moi, ce que la je, première idée je crois, euh, soit, euh, soit, euh, en tout cas, c'est une réaction mm. de foule, ou bien la famille de la victime, en tout cas, Merci. a cherché à... Mm-hmm. Merci. 18 heures h passées de 59 minutes. C'est ici que prend fin le forum de la presse. Merci. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste indépendant. Elage Suleiman Mamadou du site en ligne Niger Inter. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.